fidélité au programme du studio Kalangu, chers auditeurs et auditrices. Il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Fanta Chamsou et à mon côté, il y a Mariam Adé. Bonjour Mariam, comment tu vas Ça va bien Fanta et toi Ça va, Alhamdulillah. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Ce matin, Mariam, comme d'habitude, nous débutons cette édition avec le flash d'information. Et comme invité, nous recevons M. Amadou Adamou. Il est coiffeur, mais pas que. Il est aussi titulaire d'une licence en informatique et un master en administration. Dans ces numéros, nous aurons également la rubrique Écho des régions qui nous emmène à Zender... Il y aura également la rubrique Hebdo consacrée à la justice. Le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangou et notre page sport. L'édition est assurée par Adam Adawaki et Mustapha Ayuba à la technique. On débute cette émission avec les flashs d'information avec Rafika Tahera. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam, comment ça va Ça va bien, alhamdulillah. Alors, pour ce matin, euh, plusieurs organisations de la société civile ont organisé hier dimanche un meeting suivi de marches au soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Cette marche qui est partie de la place Toumo a eu comme lieu de chute la place de la concertation en face de l'Assemblée nationale du Niger. Selon Abbas Idrissa Maïga, vice-coordinateur de l'Union Tilaberi pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale, l'une des organisations l'organisation initiatrice de cette marche. Elle est organisée pour réagir aux prises de position des pays étrangers par rapport à ce qui se passe au Niger. Le CNSP a quant à lui publié un communiqué le même jour pour appeler la population à s'abstenir de tout acte de vandalisme et de destruction des biens publics et privés et à ne pas s'en prendre aux chancelleries étrangères au Niger. Le CNSP lance un appel au calme et à la sérénité. Ensuite, en séjour hier à Niamey, le président de la transition du Tchad, Mohamed Idriss Déby, a rencontré le président du CNSP, le général Abdraman Chani. Mohamed Idriss Déby Ituno a été invité par le président du Nigeria et président en exercice de la CDAO pour prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'État qui s'est tenu ce dimanche à Abuja. Cette visite vise à explorer toutes les pistes afin de trouver une issue pacifique à la crise qui secoue le Niger, a poursuivi le président de la transition du Tchad. Le président tchadien a été désigné comme envoyé spécial par la CDAO qui a adopté une batterie de sanctions économiques et financières à l'encontre du Niger et a donné une semaine à la junte militaire du CNSP pour établir l'ordre constitutionnel. Faute de quoi, les chefs d'État de la CDAO n'écartent pas le recours à toutes les éventualités, y compris l'usage de la force, comme cela a été affirmé dans le communiqué final publié à l'issue du sommet. Pour finir, le CNSP a autorisé à travers un décret portant dérogation spéciale pour la réorganisation du baccalauréat en date du 29 juillet 2023 la reprise de l'épreuve écrite de mathématiques du baccalauréat série D. Selon ce décret, la reprise de l'épreuve écrite de mathématiques concerne tous les candidats ayant participé aux épreuves du baccalauréat série D session 2023 qu'ils soient admis ou ajournés. Aussi, la note obtenue par le candidat de cette épreuve remplace la note de l'épreuve de mathématiques du 21 juin 2023 si elle est si elle lui est supérieure, lorsque la nouvelle note a pour effet de relever la moyenne du candidat pour obtenir la mention assez bien, bien ou très bien, le candidat est déclaré admis avec la mention méritée, ajoute-t-il. Le décret précise également que lorsqu'elle a pour effet de relever la moyenne du candidat à journée à un niveau qui lui permet d'être déclaré admis, il est déclaré admis avec la mention appropriée. Par ailleurs, le décret souligne aussi que lorsque la note n'a aucun effet sur l'admissibilité du candidat au premier groupe, il est déclaré ajourné étant donné qu'il n'y a pas de second groupe. Merci Rafika, à bientôt. Et comme annoncé en début d'émission, nous recevons comme invité de cette émission Monsieur Adam Amadou. Bonjour Monsieur. Bonjour. Alors euh, vous êtes euh, titulaire d'une licence en informatique et un master en administration. Oui. Et vous êtes aussi coiffeur. Oui. <laughs> Donc avant d'entrer dans le vif de cette discussion, nous allons faire euh, écouter, disons, notre premier morceau du jour et il s'agit des Kambogoy de des Burema Disco. auditeurs, c'est bien le titre Kambagoy de Burema Disco que vous venez de savourer en ce moment. Un titre à travers lequel l'artiste passe un message fort sur l'importance d'apprendre et d'exercer un métier quel qu'il soit. L'essentiel, c'est de combattre l'oisivité. Et eh oui, Mariam, ce titre cadre bien avec l'adage qui dit qu'il n'y a pas de son métier. Et ce titre cadre aussi très bien avec notre invité du jour pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Il s'agit de Monsieur Amadou Adomo. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, euh, dites-nous, pourquoi être parti sur le métier de euh, coiffeur après tout, tous ces diplômes, après une licence en informatique et, un, master en administration <laughs> Bon, c'est étonnant, mais je salue les spectateurs. Et je salue Kalangu qui m'a donné l'occasion de m'exprimer. Mhm. Donc, euh, c'est un métier dont. C'est un don, apparemment, parce que moi, je ne l'ai pas appris. Euh, au début, je me débrouillais avec euh, les amis à la maison. Donc, euh, c'est après 96, 97. Ah oui, ça remonte à longtemps. Oui, oui. Il y a un coiffeur dans le quartier qui m'a appelé pour l'aider à faire certaines. Donc, c'est parti comme ça. Mhm. Donc, après lui, en 96, 97, la même année, il a quitté. Donc, il m'a laissé le salon, et parallèlement aux études quand je descends de l'école, je viens dans le salon. C'était un métier extra, en fait. Oui, oui. Mhm. En fait, c'était parti comme ça. Euh, durant tout le cursus d'études, je suis dans le salon. Mhm. je me suis vraiment. Euh, c'est un métier vraiment très noble. Mhm. En fait, je conseille la jeunesse que euh, c'est pas le fait de rester, d'étudier et d'aller dans les, dans les bureaux qui est essentiel. Mhm. L'essentiel, c'est de savoir où tu as quitté, où tu vas. Euh, franchement, avec, euh, parce que quand j'avais fini l'enseignement général au Corombe je me suis inscrit à l'IAT pour faire toutes ces études-là. Mhm. Après, je me suis inscrit à l'université islamique pour faire ma, ma, licence en informatique. Après, je me suis inscrit encore à l'université Tedamoun pour faire mon master en administration. Mais, actuellement, je suis en préparation pour, pour soutenir le master. Hmm. Euh, bon, Et vous faites quel genre de coiffure bon, pour hommes Pour hommes. Mhm. je fais pour hommes. pour les enfants, il y a les coiffures simples, les coiffures euh, casino. Il y a plusieurs genres de modèles. on affiche parfois dans le salon les modèles, ça dépend du choix du, client. Mhm. Et euh, Est-ce que vous avez euh, des employés Combien et euh, comment ça va bon, Actuellement, j'ai trois employés qui travaillent pour moi. parallèlement aussi, nous formons des jeunes mhm. pour six mois, un an, et aussi se groupes pour aller créer leur propre salon mais nous sommes en collaboration avec euh, FAPA, mhm. qui est l'ancien, qui est vos voisins, les hein, anciens mhm. voisins. <laughs> Euh, donc avec eux en 2019, on a eu à former 80 apprenants, filles et garçons. Comme c'est lié à une association qu'on a, qu'on appelle ACMODEC, mhm. donc c'est avec eux, on a eu la crédibilité de travailler avec eux. Euh, alors aujourd'hui, quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ces métiers Ou bien juste euh, aujourd'hui, on peut s'élever, et moi, on dit on va ouvrir un <laughs> salon de coiffure. Bon, je ne dis pas euh, non, mais quand tu te lèves pour dire que je veux coiffer, ça dépend. Est-ce que toi, tu peux donner ta tête à quelqu'un <laughs> qui ne sait jamais, coiffer Donc, euh, il, faut avoir, il faut faire une formation au moins de six mois, six mois, un an et on peut te donner une attestation. Euh, là, tu peux ouvrir ton salon pour exercer ton métier. Avant de poursuivre cet échange, une autre pause en musique pour le plaisir de nos auditeurs avec les titres Bianou de Gesban. Hasan Hasan Voilà, chers auditeurs, ce titre sous un style traduit moderne, un pur chef d'œuvre qui fait l'éloge de l'une des plus belles traditions de la région d'Agadez, la fête du Bianou. L'une des plus belles traditions, comme tu l'as dit, Fanta, la fête du Bianou s'est achevée ce week-end à Agadez, à à des siècles et des siècles. L'origine reste encore mystérieuse, mais on note la cohésion sociale et l'esprit de partage lié à cette belle fête qui rassemble toutes les couches sociales toutes les classes, toutes les classes d'âge dans les moments festifs de pur bonheur. Voilà, maintenant de retour au studio avec notre invité du jour, Monsieur Adam Amadou. Alors, euh, Monsieur Adamou, dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu réaliser avec euh, ces métiers Bon, avec le métier de la coiffure, j'ai réalisé beaucoup de choses. J'ai payé les frais d'études mm. des deux universités. Donc, euh, j'ai créé j'ai créé une autre, une autre, entreprise. J'ai créé une autre entreprise, un pressing, mhm. qui est nommé Zoé Pressing. Et j'ai créé parallèlement aussi un autre service qui s'appelle Service Anna Informatique. Ça, ça cadre bien avec euh, euh, votre diplôme. Oui, effectivement. Mhm. Mm. Alors, euh, et quelles sont vos perspectives d'avenir Bon, perspective, mon plus grand souci, c'est d'ouvrir un centre de formation en coiffure. Niger. Mhm. C'est ça vraiment le perspective que je souhaite faire au Niger. Pouvez-vous donner quelques conseils aux jeunes qui rendent en coiffure Bon, euh, pas seulement qui rendent seulement en coiffure, mhm. Mhm. Euh, en, général, en, général, aussi, pour la jeunesse. Euh, le métier, il y a des métiers qu'il faut aussi exercer parallèlement en dehors des études. Parce que le système francophone et c'est ça le difficulté qu'on a dans le système francophone. Mhm. Le système anglophone nous donne à faire plus de largesse. Oui, oui, les études et vraiment des métiers. Mhm. Donc, à la longue, si les études ne marchent pas, tu peux continuer. Mhm. Donc, je conseille à la jeunesse d'exercer d'autres métiers et je conseille aussi vraiment la, le, métier de la coiffure. C'est un métier noble tu peux réaliser tout ce que tu veux à la longue. Si vraiment tu prends ça avec objectivité, tu, peux, tu peux arriver. Un dernier mot pour nous Bon, un dernier mot. Euh, je salue euh, vraiment Kalangu qui m'a invité à pouvoir m'exprimer aujourd'hui sur le studio Kalangu. Mhm. Oui, et je suis vraiment très fier d'être euh, coiffeur. Mhm. Un métier malgré les diplômes que j'ai. oui. Voilà, merci beaucoup, monsieur Adamou, d'avoir répondu présent à notre invitation. Et on vous souhaite euh, une bonne journée. Merci. <laughs> voilà, chers auditeurs, c'est le mot. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique. Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, c'est le moment pour nous d'attaquer notre rubrique hebdo. Et eh oui, Fanta, aujourd'hui, on parle de la liberté d'expression qui est le droit reconnu à l'individu de faire connaître le produit de sa propre activité intellectuelle à son entourage. Vous l'aurez compris, il s'agit de la rubrique justice. Euh, la liberté d'expression a été longtemps considérée comme un simple phénomène naturel conditionnant la vie sociale avant d'être érigée en liberté individuelle, aujourd'hui juridiquement garantie et encadrée. Qu'en est-il de la liberté d'expression dans les Média Réponse avec euh, Ouattara Carmo, chef du projet Adelti. La liberté d'expression, vous le savez, fait partie des droits fondamentaux accordés à chaque individu et assurés par, dans un État de droit. Les droits fondamentaux sont constitués au sens large des droits de l'homme et du citoyen et des libertés publiques. C'est à juste titre que ce droit fondamental figure dans la Déclaration universelle des droits humains de 1948. Cette déclaration stipule en son article 19 que, et je cite, Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété de ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit. Fin de citation. La République du Niger, en proclamant dans le préambule de sa constitution de 2010 son attachement au principe de la démocratie pluraliste et aux droits humains tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, adhère de facto au fait qu'au Niger, et je cite, et ça c'est la Constitution qui le dit, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété par ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répondre sans considération les frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Cela signifie que vous pouvez faire connaître vos opinions aux autres de la façon qui vous convient, par exemple, lors des conversations, dans des discours, des lettres ou par la presse écrite, la radio ou la télévision, par courriel ou sur Internet. À condition, bien sûr, de respecter les lois en vigueur. Et les lois en vigueur, c'est une citation parce que même les textes internationaux les reconnaissent à l'égard de l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et l'article 45 de la Constitution du Niger de 2010. Ce qui nous amène donc au délit d'opinion, au délit de presse, à la cybercriminalité. La liberté d'expression va de pair avec la liberté de presse, car si la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans certains cas précis. Dès lors que chacun a le droit d'exprimer sa pensée, ses idées, ses croyances, il doit aussi avoir le droit d'être informé et de pouvoir diffuser des informations. Voilà, c'était Ouattara Carmo, chef du projet Adelti au micro de Rafika Attaher. Mariam, il est temps de faire euh, notre, une pause musicale. C'était Samarin Chaho du groupe Soga. À travers cette belle chanson, le groupe Soga appelle les jeunes filles à plus de vigilance de leurs relations amoureuses, car les Samarin Chaho sont partout. Mais en même temps, Maria, moi je dirais que les M matin Chaho existent aussi, et ces conseils devraient aller dans les deux sens. En tout cas, le message passe sous ce style traditionnel et presque comique comme il sait si bien le faire, le groupe Soga passe à travers ses chansons toujours des messages forts, tout en musique. Fanta place à l'écho des régions qui nous amène dans la région des Indères. Oui, Mariam, dans la commune de Birninkazo et région de Zender, la cotisation des frais du comité de gestion du secteur de la santé est passée de 1100 francs CFA à 2300 francs CFA. En effet, Fanta, la décision de cette révision à la hausse des 10 frais a été adoptée la semaine dernière lors d'une réunion tenue à la mairie par les membres du comité et les représentants de la communauté. Ibrahim, Abdou, notre reporter de Birninkazo, nous en dit plus. La saison pluvieuse est généralement la période des pics du palu au Niger.

talaka gaskiya yanzu babu a gida babu a gona gaskiya yanzu suna cikin wani yanayi bai kamata ba a ce an ƙara kuɗi gwamnati ta diba mu gaskiya an dai magungunan gaba daya wanda zai je zamanin fali ne yanzu da mana ya gabato kenan duk magungunan an aka je an aka auna mutum an duka za a same su a likita ba tare da sai an je an sayi wani maguna ba yayi amma an dai muddin za a je a sayi wani magunguna wannan karin bai yi ba wani al'amari yayi kamari gaskiya mu a jika da 20 maso muka a hudda ta ma a ce kyauta za a ban magani ko ba gaskiya ba yanzu wani yana nema abincin da zai ce ina ga jika biyu da sattu gaskiya wani zan ku sake shi inda kuka kirkira shi ma ku sake shi tun magabata Allah sa suna jin al'amari Ali major du centre de santé intégré de Birnin Kazo explique la raison de cette réforme il estime que la révision à la hausse de ces frais a des avantages pour les patients surtout les femmes et les enfants vulnérables ba a ce ba ko ƙari ne tunda abun daman ana yin shi me yanzu an da dai abun bisan kan kowa ko yaro ko babba wanda ya wuce shekara biyar ana so duka za su biya jika biyu da dala sattin kuma lecoges wanda aka zaɓe su su wakilci gari su suka kawo wannan tsarin da ake yi kenan a cikin kuɗin akwai dala 20 da ake cewa ta santim additional dala 20-20 ne wanda ya zama da satin yin 20 kin ita santim additional ne wannan gurare da dama ana yi 20-20 kin nan tara su za a yi zai zama to mace mai ciki in bata da lahiya ko bayan aihuwa jini babu ko kuma da ciki an samu wani matsala wannan kudin da aka tara su za a hada a kai mace gure ba tare da ta biya kuɗi ba kenan da wannan kuɗin za a bada an man mutane za a sa a kai mace gure wannan sai mata masu ciki idan abun ya yi bunƙasa ya yi yawa ana iya ɗaukan kowa in ya zamanto gure ne kawai za a sa a kai mutane gure shi yasa aka yi haka nan kuma sannan magunguna addakwai a yanzu isassu an ka magunguna wannan kojes da suka zo sun yi tambaya an ba su taimako wajen masu hannu da shinu sun kawo magunguna kenan akwai magunguna isassu yanzu babu dama a ce komi je ka siyo a rubuta maka ordonance kenan akwai magani an ka ba da jika biyu da sattin ɗin maganin da za a baka ma ƙarshen ta yana wuce haka nan wani za a mishi abu da dama wanda sun wuce kuɗin shi wani ko zai zo abun kaɗan ne mai amman ya biya wata ran zai zo kuma ya cike ko ya wuce wannan abun da aka mishi shi yasa yanzu ake ka le temps permettra de juger de l'efficacité cette hausse de frais par le CGDS du secteur de la santé le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, nous arrivons maintenant à la partie sport avec Soumana Amadou. Bonjour Soumana. Bonjour. Anta, bonjour euh, Myriam. Bonjour Soumana. Alors, euh, l'actualité sportive de cette édition porte tout d'abord sur les tournois des grandes vacances à d'Agadeza. Oui, cette édition, disons cette compétition de football qui est à sa première édition, regroupe 15 équipes de la ville. Et depuis le 22 juillet, maintenant, elle prendra part, eh, disons, je reprends, voilà, donc c'est une euh, compétition de football qui est à sa première édition et qui regroupe 15 équipes de la ville depuis le 22 juillet. Elle prendra fin le 3 août. Écoutons Alio Hamma, promoteur du tournoi, au micro de Anissé Karim. Les TGV, nous, nous les voyons vers Niamey, c'est bien sûr les réseaux sociaux. C'est pourquoi cette année, nous avons dit, même si nous n'avons pas de partenaires, en tout cas, nous allons contacter les équipes et vraiment parler entre nous et voir dans quelle mesure nous pouvons organiser ces TGV-là. Quel est l'intérêt de ces euh, tournois de grandes vacances pour les joueurs D'abord, un, c'est des joueurs qui évoluent un peu partout. Ça va leur permettre de faire euh, une mise en jambe. Et nous, les techniciens, ça va nous permettre de faire une détection des talents. Troisièmement, vous savez, les quand ils ont assez de temps assis, ils ont d'autres idées dans leur tête néfastes. Donc c'est pourquoi il faut créer un tournoi qui va les occuper pendant ce temps-là. Nous avons aussi euh, mis en jeu une coupe des jeunes de U13 et de U15, c'est-à-dire moins de 13 ans et de 15 ans, comme des matchs de levée des rideaux avant les matchs des grands. Parce que ceux qui évoluent à Ligue nationale, à Ligue régionale et en super division sont des seniors, c'est-à-dire à partir de 20 ans, même s'il y a ceux de 17 ans quelques-uns. Donc voici en réalité les catégories qui sont utilisées pour ces TGV. Quels sont les prix à gagner Vous savez, ici, les prix, comme nous avons parlé avec les équipes et que nous n'avons pas de partenaires, les prix ne sont pas très très importants c'est surtout le brassage, la culture de la solidarité entre les enfants. Les prix, c'est à travers la participation, ce qu'on appelle engagement des équipes. Nous donnons, par, chaque équipe, par exemple, participe à raison de 5 000 comme frais d'engagement. Et c'est cet argent-là que nous prenons pour essayer de payer des ballons, pour permettre euh, aux premiers, deuxièmes, même troisième, des joueurs ciblés en fair play ou bien le meilleur gardien qui seront primés. Voilà, bah, Soumana, hors de nos frontières à Kinshasa, en RDC, les 9e Jeux de la francophonie ont débuté vendredi 28 juin dernier et le Niger a déjà une médaille. Oui, il s'agit d'une médaille d'argent. Donc, euh, c'est le lutteur Abba Ibrahim qui a décroché cette médaille. Il a été battu à la finale par un lutteur sénégalais. Toujours à Kinshasa, l'athlète Samira Awal a couru sur les 400 mètres ce matin et a été qualifié pour la finale Final qui aura lieu, Inch'Allah, demain. Merci Soumana pour ces infos. Après les sports, allons découvrir notre star du jour de la rubrique portrait. Oui, Mariam, le portrait d'aujourd'hui nous amène à la rencontre de Hamidotou Ilamaikaswa, une passionnée de cuisine. Elle a lancé un groupe Facebook qui compte plus de 30 000 membres. Aujourd'hui, elle sollicite la contribution de chacun afin d'actualiser un livre de cuisine édité en 1982 par les autorités nigériennes. Portrait proposé par Farid Bourema. Moi, je suis une euh, amoureuse de la cuisine euh, du monde en général, mais nigérienne en particulier. Euh, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle La Marmite Nigérienne. Et puis un site internet aussi du même nom, marmite marmitenigérienne.com pour promouvoir et valoriser euh, la cuisine nigérienne. Comment trouvez-vous la cuisine nigérienne C'est une cuisine qui est résiliente, euh, comme son peuple. Euh, donc c'est une cuisine qui s'adapte à tous les, tous les moments et toutes les difficultés aussi de la vie. Et j'avais cette frustration en fait de constater que, ben, en général, les gens ils connaissent pas la cuisine nigérienne. Et quand ils connaissent quelque chose de ça, c'est ça se réduit à et puis euh, les grillades. Existe-t-il un ouvrage sur la cuisine nigérienne euh, Il y a ce recueil donc des spécialités gastronomiques du Niger et d'ailleurs qui a été euh, édité pour la première fois en 1982 et on l'a retrouvé mais on l'a perdu mais on l'a retrouvé grâce à la communauté de la marmite parce qu'il y avait un des membres qui, qui, partageait régulièrement des recettes de ce livre. On l'a on l'a scanné et puis on l'a mis en téléchargement sur le site internet et on s'est dit qu'il fallait en fait qu'on crée un projet euh, communautaire où on va mettre à contribution nos membres pour qu'ils puissent nous aider à actualiser ce bouquin. Comment procédez-vous avec la communauté de la marmite pour recueillir les différents menus des plats du Niger On s'est dit que la, meilleure façon de procéder, à défaut de pouvoir se rendre dans chaque région pour euh, recueillir les, recettes euh, gastronomiques, euh, je dirais, spécifiques à ces régions-là, c'est de procéder par notre groupe Facebook. Donc on a lancé ce qu'on appelle des défis de la marmite, disons une sorte de concours sur un temps limité pour que les gens apportent leur contribution. Et puis après, ce sont, comme c'est un système démocratique, les membres qui votent les, plats qui ont le plus de votes euh, sont euh, ceux qui gagnent. Euh, donc nous en appelons à tous ceux qui souhaitent nous aider donc à fournir les, meilleures recettes de, cuisine nigérienne à, venir et puis à, participer à ce, challenge, hein, mais que ce soit pas forcément pour le, lot, donc enfin le, gain de 25 000, mais juste pour contribuer à cet élan quand même, je dirais, patriote de mettre à jour ce, recueil qui vous appartient tous. Merci Farida pour ces portraits chers auditeurs. Let's go pour une pour une autre balade musicale. Fanta, tu nous proposes quoi Eh bien, Mariam, je vous propose ce titre d'Abdé de Maliaro, une reprise plus rythmée et plus moderne de la célèbre chanson qui valut le nom de l'auteur Hamad Abdé, qui apparaît d'ailleurs dans le clip en compagnie de Maliaro. C'était Dabjé des Maliaro. Fanta voyant à présent c'est que les femmes du studio Kalangu nous ont préparé comme loti aujourd'hui. Le loti du jour, Mariam porte sur le contrôle parental sur la télévision, les téléphones Android et tablettes pour éviter d'exposer les enfants à certains contenus non adaptés à leur âge. Rekia Rimi et Fanta Chamsou ont voulu nous présenter une situation. On les écoute. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji wai wai wai wai wai wallahi mun kwaso gajiya barka roma ai barka ka dai ke dai bari yau mun kwaso gajiya sosai ai gajiya kai akwai to wai ma ina yaran suke ai ya ci a ce sun sabko daga makaranta tun ɗazu lallai dai kam to duwa ki gani watakila suna cikin ɗakinsu. bari in je in duba kake shirin gani? Mi kake kallo? layi. kashe mini wannan kwamfutar. Kowa ya koya maka kallon wa'annan mugayen abun? Bari babanka ya zo za ka gane kurenka. Hmm. Ke, ƙawata wai lafiyar ki kuwa? An ya kina jin da kike ihu haka, ko ina ana jin har bakin kofa. Hmm. Ruma bari abun ne ya fi ƙarfi na, ai ke ma dan baki ga abun da na gani ba ne. Marwan ke kallon irin mugayen shafukan nan na yanar gizo akan kwamfutarsa. Kwamfuta kuma? shi yanzu wannan ɗan tsitsin yaron har da kwamfuta kuka bashi haba to dan ya mi da ita ma wai ai wai abokanansa na makaranta ne ya gani suna da shi ya zo ya ɗora wa baban shi kuka sai an saya mishi guda sannan baban ya sayo mishi amma yanzu kin ga wannan al'amarin ya fi ƙarfi na wallahi ruma komi muka gaza a cikin tarbiyarsa ke yar uwa kwantar da hankalinki kin ji ai ba zancen tarbiyyar da kuka baiwa 'ya'yanku ba ake yi a nan wurin masu ɓata sun nan a waje ne suke shi ake magana a nan. Kin gane wato mugayen abokai. A makaranta ko cikin anguwa? E mana, ai ni ma na samu irin wannan matsalar kwanakin baya da ta safi. Jan Allah, kuma baki taɓa min magana shi ba. Da gaske ko nake miki ƙawa, amma fa akwai mafita a nan. To, taimaka mini ƙawa ni dai wannan abun ya ɗarme mini kai sosai. To, da farko dai ki sani, kariya da tarbiyyar ɗiyanki tana da dangantaka da kulawa da su, kamar kulawa da fita da dawowarsu. da kuma abokanan da suke yawo tare amma fa ba tare da kin sha musu kai ba sai kuma kin lura sosai da abubuwan da suke yi akan yanar gizo kuma zan ƙara jaddada miki kar ki matsa musu kar ki tsatsare su kar ki tauye hakkinsu. Wai, ni kaina, to yaya ma zan iya yin wa'annan abubuwan duka da kika zana mini? Ki sani incin da ke gare ki a matsayinki na uwa bai da sauki ko ɗaya don idan kika matsa ma yaro zai iya kangare miki gaba ɗaya ya bishire miki a duk sanda yake ƙara girma sai kin kama jikinki sosai. Don Allah ki rage wannan dogon ilimin naki ki tsaya ki mini bayani da kyau akan yadda kika magance matsalar ki da iyaki. To in dai har akan kwamfuta ne, abu mafi sauki shine ki samu manhajar nan wanda uwaye za su iya lura da duk abin da ke faruwa akan kwamfutar ɗiyansu. Ki sauke ta akan kwamfutar shi. Sak za ki rinka ganin duka wani abu da yake yi akan kwamfutarsa. Kuma duka irin mugayen shafukan nan za ki iya taushe su yadda ba zai iya hawa a kansu ba, har da mugayen firarrakin nan ba zai iya yi ba. Hmm. kuma yana aiki da kyau? Ɗari bisa ɗari mako. In dai har ba kalmar sirrinki suka gane ba. to baki da matsala ko ɗaya. Don idan yara suna hawa waɗannan kafofin na sada zumunta kamar su Facebook, su Twitter, su Instagram, kinga suna iya yin hira da waɗanda ba su sani ba kenan kinga akwai matsala a nan wurin kai wannan abu kamar da wuya yake wai an ce gurguwa da auren nesa ko ɗaya ƙawata kawai dai zai ɗaukar miki ɗan kwanaki ne kinga idan mai gidan na ke zo ku firanta a kai don ku samu ku fara tun wuri kafin nan bari ki ga in tashi in kwace dukkan wa'ansu na'urori da ke hannu shi da ɗan uwar shi ai bari ke dai yau kin taimaka min kin wayar da kaina na gode sosai ƙawa. ai ba komai ƙawa tsakanin mu mu uwayen iya chers auditeurs, passons à présent à la rubrique culture linguistique et ça sera avec Jackie Dalton qui nous explique l'expression I'm fine en anglais et en français. Hello, how are you? How are you? Comment vas-tu? Ou comment allez-vous? Today we'll talk about the answers to that question. Aujourd'hui, nous allons parler des réponses à cette question. Donc très souvent, quand on rencontre quelqu'un, pour le saluer, on dit Hello, How are you? Bonjour, comment vas-tu? Ou comment allez-vous? Et la plupart du temps, quand on répond à cette question, on dit I'm fine. I'm fine, ça veut dire je vais bien. Ou I'm well. I'm well, c'est une autre façon de dire I'm fine. I'm fine. I'm well. Je vais bien. Ou on peut aussi dire I'm okay. I'm okay. Ça veut dire ça va. I'm okay. Donc, la plupart du temps, quand on se salue et on demande comment allez-vous, la réponse sera I'm fine, I'm well, I'm okay. C'est les réponses un peu standard qu'on utilise, même si ça va pas bien parfois. Mais peut-être à d'autres moments, vous n'allez pas bien et vous avez envie de communiquer ça. Qu'est-ce que vous pourriez répondre Vous pourriez dire I'm not well. Tout à l'heure, on avait vu I'm well, je vais bien. I'm not well, je ne vais pas bien. Si vous êtes fatigué, vous pouvez dire I'm tired. I'm tired. Ou si vous êtes occupé tout le temps, vous pouvez dire I'm busy. I'm busy. Donc là, on a vu trois réponses un peu négatives. I'm not well, je ne vais pas bien. I'm tired, je suis fatigué. I'm busy. Je suis occupé. Maintenant, on va tout reprendre avec un quiz. Première question. Comment dire Comment allez-vous How are you How are you Ensuite, il y a deux façons de dire je vais bien qui sont I'm fine, I'm well. Et comment dire ça va I'm okay, I'm okay. Et si ça va pas bien, on va dire quoi I'm not well. I'm not well. Et comment dire je suis fatigué? I'm tired. I'm tired. Et que veut dire I'm busy? Ça veut dire je suis occupé. I'm busy. Voilà, I'm fine, I'm well, I'm okay, I'm not well, I'm tired, I'm busy. Those were today's English words. How are you? Chers auditeurs, merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. sunana rabi alhaji mamma wanda aka sani da sunana ba mai aski shugaba ne na kungiyar masu tsaron radio na jihar damagaram eh, ra'ayina a dangance da shirye-shirye na studio kalangu gaskiya goyon baya ne zan ba su da farko dai ɗari bisa kan ɗari a dangance da irin shirye-shirye kala-kala wanda suke yi mana domin ci gaban al'umma musamman ma wajen bangare na kiwon lahiya da suke taɓawa bangaren kiwon lafiya ma ya taɓu wajen bangare kala biyu akwai wani wajen bangaren mata da suke faɗakar da al'umma domin tafiya wajen awo likita ziyartar likita a don lokaci zuwa lokaci akwai bangare na biyu da suke ɗauko bangare na matasa bangare na shaye-shaye da suke yi domin faɗakar da matasa menene illar shaye-shaye da suke to kusan wannan shirye-shirye guda biyu wanda ake gabatarwa sosai suna ƙayatar da ni kuma ina jin daɗin su kuma ina ƙara musu goyon baya akan shirin wannan da suke domin su ɗan ƙara faɗaɗa shi kaɗan wace irin faɗaɗa za su mishi kamar irin 'yan mintunan da suka bada kin ne ya kamata a ce an ɗan ƙara su koda kaɗan ne akan na dakin domin irin ƙarin da za a yi a nan ne za a iya samun damar da mutum zai iya samun dama ya sharhi a kai ya dan faɗakar da al'umma wanda suke gabatar da irin wannan mugun aikin wannan kamar masu shaye-shaye dan a bada minti ɗaya ko biyu a ce a kwatanta musu illa shaye-shaye bai iya isa su amma da an bada lokaci mai dan yawa gaske wanda za a iya kwatanta musu illa shaye-shayen wannan na tabbatar da cewa akwai matasa da dama wanda za su yi watsi da harkokin wannan kenan studio kalangu da ta kirkiro irin wannan shirye-shiryen domin su faɗakar da matasa kuma alhali shiri ne kuma wanda matasa da dama suna jin shi Abun burgewa ma a cikin su wanda ya kasance ma'aikatan na studio kalangu suke tashi da kansu su je fada inda matasa Voilà, chers auditeurs, n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos messages au 82 89 89 64. Je répète, 82 89 89 64. Accueillons à présent dans ce studio Rafika Taher pour connaître les titres de la grande édition du soir. Bonjour Rafika. Bonjour euh, Mariam, comment ça va Ça va, quels sont les grands titres nous parlerons de l'application et les conséquences du gel des avoirs pour le Niger décidé par la CDAO hier. Vous aurez aussi plus de précisions sur la mise en œuvre d'un dispositif de collecte des données sur la transhumance au centre d'une rencontre dans le département de Gaïa. Enfin, la partie magazine de ce soir va porter sur les sanctions encourues en cas de recel. Voilà, Chers auditeurs, point final de cette édition du lundi 31 juillet 2023. On se dit à demain avec un nouveau duo. Bien sûr, vous étiez en compagnie de moi-même, Fanta Chamsou et Maria Madei. L'édition a été assurée par la dame de fer Adam Adawaki et la technique par Mustafa Ayuba. Très bon après-midi à tous. Bye bye.